Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet Kalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème 49e édition de la fête de l'arbre, la grande muraille verte au Niger. Passons à l'action. Tilaberi, la région du fleuve, accueillera l'édition 2024 de la fête nationale de l'arbre qui célèbre l'accession du Niger à l'indépendance acquise le 3 août 1960. Le thème central de cette 49e édition de la fête nationale de l'arbre est la grande muraille verte au Niger. Passons à l'action. Pour rappel, depuis 1975, la célébration de l'accession du Niger à l'indépendance est consacrée à la plantation d'arbres dans tout le Niger pour lutter contre la désertification. Le but étant de préserver l'écosystème et de ralentir l'avancée du désert. Cette année, c'est la forêt classée de Gesselboudi située à une dizaine de kilomètres de Niamey qui a été choisie pour abriter la cérémonie. Cette forêt couvre une superficie de 5000 400 hectares et abrite diverses espèces fauniques et végétales. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des réflexions, des explications et des analyses les défis environnementaux au Niger, la nécessité de planter et d'entretenir les arbres, accompagner et soutenir durablement les actions de reboisement pour la préservation de l'environnement. Pour ce faire, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir commandant Tomonakaka directeur des opérations à l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au ministère de l'Environnement. Bonsoir euh, Tomouna Bonjour. Garba Moumouni de l'association Initiative pour l'arbre. Bonsoir Moumouni. Bonsoir monsieur. Et Madame Noura Fatima Djibrila, membre de l'association nigérienne des scouts de l'environnement. Bonsoir Madame Noura. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Tomo Nakaka, euh, de la Grande Muraille Verte. La 49e édition de la fête de l'arbre sera euh, célébrée cette année à Tilaberi, la capitale euh, du fleuve. Où en sommes-nous au sujet des préparatifs Merci beaucoup, Monsieur Mokhtar. Je voudrais d'abord remercier ici Studio Kalango pour nous avoir donné, n'est-ce pas, l'opportunité de porter haut, n'est-ce pas, l'initiative euh, de la Grande Miraille Verte à travers euh, ces débats que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais en réalité amener un petit éclaircissement par rapport même au titre euh, ou bien au thème qui nous réunit aujourd'hui. En réalité, nous sommes en train de parler de la première édition de la journée nationale de C'est une modification. <coughs> C'est une modification, c'est une nouveauté qu'on est en train d'apporter aujourd'hui, compte tenu vraiment de l'élan patriotique que la population est en train de manifester. Nous avons bien voulu que ça soit une journée nationale dédiée, n'est-ce pas, à la plantation des arbres. Donc, ce n'est pas une fête nationale en tant que la particularité, c'est aussi euh, que cette fête se déroule sous un contexte de transition militaire. Le contexte euh, d'aujourd'hui a fait qu'on est en train de parler de journée nationale de l'arbre. Et comme vous l'avez le dire, le site officiel qui a été retenu se trouve dans la forêt classée de Gesselbody. Par rapport aux préparatifs on va dire que les préparatifs sont en train de se dérouler normalement. Sur les sites, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations en termes même de, de mise en œuvre des sites de récupération des terres et des sites devant servir, n'est-ce pas, officiellement au lancement des travaux de plantation d'arbres pour euh, l'année 2024. On a pensé, n'est-ce pas, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les autorités sur place, ils accordent euh, beaucoup d'importance à la réussite, surtout la réussite de tout ce qu'on entreprend. Et c'est dans ce sens que nos autorités, ils ont fait en sorte que les sites soient entièrement clôturés. On a dédié un site de 50 hectares entièrement clôturé. Ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, c'est une première. Hormis la clôture, on a fait en sorte qu'on dispose de l'eau. Parce que, il faut se le dire aussi, depuis Belle Lirette, on est en train de faire des activités de plantation. Mais, l'entretien ne suit pas. L'entretien ne suit pas. Cette année, quand même, les autorités, ils ont donné un, des ordres stricts pour qu'il ait, n'est-ce pas, une réussite totale. Et c'est pourquoi les sites disposent maintenant d'un château d'eau d'une profondeur de 100 mètres avec des canaux d'amener un peu partout pour que l'on puisse, n'est-ce pas, arroser ces sites. Autre chose, toujours par rapport à la nouveauté cette année, c'est même par rapport aux espèces qui ont été choisies. Les plants qui vont être les plants Qui vont être plantés sur les sites. Nous sommes en train de parler des plants ici, qui souvent ce sont des espèces en voie de disparition ou bien des espèces euh, rares et des espèces qui ont une plus-value en termes d'apport pour euh, les communautés bénéficiaires. Je ne vais pas prendre beaucoup de paroles parce que nous sommes là en train de... Oui, exactement. Quelles sont ces espèces-là qui vont être euh, plantées Hier, on a réceptionné 1700 des baobabs, c'est-à-dire Adansonia digitata. Mm. Et quand vous connaissez un peu ce que c'est que l'espèce Adansonia, il y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de valeurs en termes de produits forestiers non lignés, notamment les feuilles qui servent pour, euh, pour la, sauce, n'est-ce pas Et qui est riche aussi en fer. En fer, merci beaucoup. Il y a les fruits, les peines de singe qu'on utilise pour faire les bisap et beaucoup de jus. Hormis ça, il y a les tamarindus indica, qui est le tamarin l'état mariné. Donc ça aussi, on a réceptionné des pieds on est en train d'amener d'autres espèces aussi. Il y a également le, le, beaucoup d'espèces de fucus sur les sites. C'est quoi fucus Ficus, euh, on appelle ça gamji en hausage. les auditeurs vont comprendre. Voilà, il y a également ce qu'on appelle euh, le prosopis euh, africana. Il y a beaucoup d'espèces en réalité parce qu'on a fait une liste de toutes les espèces que nous pensions qu'ils sont en train de disparaître ou bien qu'ils sont en train de se retirer, n'est-ce pas, de leur ère euh, de prédilection. On a fait d'abord une étude pour voir quelles sont les différentes espèces qui existaient dans les temps au niveau de cette forêt. Qui sont en instance De disparition. La nouveauté aussi, c'est que le directeur euh, départemental de l'environnement de Kolo, il a donné quand même son aval que toutes les espèces phoniques qui seront en déperdition ou bien en captivité de façon pas légale, ils seront réintroduits dans ces sites. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire pour euh, vraiment faire euh, de ces sites un modèle commandant Antomo Nakaka de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, la particularité de la fête de l'indépendance au Niger est qu'en plus de célébrer l'autonomie du pays par rapport à la France acquise le 3 août 1960, ce jour est aussi celui de la fête de l'arbre, vous l'avez rappelé, avec les particularités. Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui après plusieurs décennies de plantation d'arbres ici au Niger et les bilans qu'on peut retenir par rapport aux activités de restauration des terres au Niger, c'est que c'est vrai, quand on regarde de façon éparse ou bien d'un œil extérieur, on va se dire que depuis toutes ces années, on a beaucoup fait, on devait avoir peut-être beaucoup plus. Mais la réalité, n'est-ce pas, de notre contexte du Sahel, fait que... Euh, Marqué par la sécheresse, la, rareté des, précipitations. Les, précipitations, les températures euh, extrêmes font qu'aujourd'hui, malgré l'effort que les services des eaux et forêts ou bien de l'environnement est en train de faire pour, euh, n'est-ce pas, réverdir, beaucoup reste à faire. Mais au-delà de tout ça, les activités des GDT, c'est-à-dire des restaurations des terres, ont placé le Niger dans les 11 pays. Vous savez, la Grande Miraille Verte couvre aujourd'hui 11 pays. Et dans en Afrique En Afrique, bien sûr. Dans ces 11 pays, aujourd'hui, le Niger est classé troisième. Et qu'est-ce qui a fait C'est les efforts, n'est-ce pas, que les uns et les autres sont en train de faire jour et nuit pour réverdir, pour amener... À travers la plantation, la régénération surtout naturelle la régénération assistée. naturelle assistée. Parce que en réalité, l'évaluation des activités aujourd'hui au niveau de la Grande Miraille Verte ça se passe soit à travers les photos satellitaires ou bien avec les imageries drones. Donc, ce qu'on voit, les premiers, c'est vraiment cette régénération naturelle. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'arbre, il est en train de retourner dans les champs, il est en train de retourner dans... malgré, malgré la, la, forte consommation de bois ici au Niger. Oui, malgré tout ça. Commandant Antomono pour préserver durablement son écosystème, le Niger a lancé un programme de restauration des terres. Les Nigériens sont invités à planter chacun un arbre le 3 août pour lutter véritablement contre la désertification. En dehors des actions de plantation d'arbres, quelles sont les autres actions à promouvoir et à encourager pour la journée du 3 août Tout à l'heure, vous avez dit des plantations d'arbres, mais nous, on voit au-delà, n'est-ce pas C'est planter, entretenir. Voilà, parce que l'arbre, il faut vraiment beaucoup de soins. Donc, euh, c'est ça en réalité cette vision qui est en train d'être partagée aujourd'hui. Par rapport à d'autres activités qu'il faille faire pour euh, vraiment préserver les ressources euh, naturelles au Niger, on pense beaucoup à l'utilisation modérée, n'est-ce pas, de la biomasse. Aujourd'hui, quand on fait une évaluation, la dernière fois avec euh, ses amis, on a fait... Euh, les amis de l'initiative euh, pour l'arbre. Avec beaucoup d'autres structures, on a fait une campagne qu'on a appelée campagne Tabaski Écolo. Et quand dans cette campagne-ci, oh, c'est la deuxième édition, j'espère. Quand autour de cette campagne, on fait l'évaluation, n'est-ce pas, de la quantité de biomasse qui est utilisée, quand même, c'est énorme. Donc, on est en train de sensibiliser la population à aller, n'est-ce pas, vers des sources d'énergie propres pour vraiment eh, limiter, n'est-ce pas, cette pression qui est toujours très forte sur nos maigres ressources, qui subissent d'ailleurs d'autres pressions climatiques. La grande muraille verte, les réalisations continuent ou bien on attend d'autres financements La grande muraille verte, comme il est dit, c'est une initiative. Et en tant que telle, les activités continuent toujours par rapport à des projets partenaires. Malgré les ressources euh, maigres dont dispose le Niger et particulièrement euh, le ministère de l'Environnement vous savez ce qui fait la force aujourd'hui de la Grande Miraille Verte Je l'ai dit tantôt, c'est cet engouement, n'est-ce pas C'est cet élan qui a vu le jour depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Depuis le 26, juillet, le 26 2023. juillet 2023, quand même les autorités, ils ont montré un attachement fort un soutien pour que la Grande Miraille Verte arrive à se concrétiser au Niger. Et pour preuve, n'est-ce pas, dans la lettre du ministre, la lettre qui a été adressée au ministre de l'Environnement par son Excellence, euh, le chef d'État général, de brigade, Kiani, la mise en œuvre de la Grande Miraille verte se positionne en deuxième position, n'est-ce pas, dans les priorités qui ont été données au ministère. Donc, selon vous, dans les années à venir, les Nigériens peuvent constater aisément le progrès enregistré par le Niger euh, dans le cadre de la réalisation de cette grande euh, muraille. Oui, les progrès, ils sont en train d'être mesurés aujourd'hui. On a beaucoup d'indicateurs qu'on est en train de suivre et ces indicateurs, je peux me le permettre de les dire qu'ils sont ouverts. Il y a beaucoup de résultats qui sont concluants aujourd'hui par rapport à la mise en œuvre euh, de cette initiative Grande miraille Verte. Merci beaucoup, commandant Antomo Nakaka de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au ministère de euh, l'Environnement. Madame Noura Fatimata Djibrilla, vous faites euh, partie du comité d'organisation de la 49e édition de la Fête nationale de l'arbre. Quelle est la particularité euh, de cette 49e édition côté scout Merci, Monsieur Bokhtar. Et nous remercions également le studio Kalangu de nous donner l'opportunité de nous exprimer pour cette première édition de la Journée nationale de l'arbre. Vous avez parlé de l'autonomisation de notre pays, donc à l'indépendance. Moi, je dirais que c'est maintenant ah, que, nous, à être indépendant. Tant à être indépendant. Puisque euh, depuis euh, l'appel de Baradi où nous faisions des plantations, donc maintenant les plantations que nous avons à faire, c'est surtout, regardez vous-même, on a changé la, on a changé le thème même au lieu de l'édition Fête nationale de l'arbre. Donc, c'est la journée nationale de l'arbre, première édition. Donc, c'est maintenant que nous avons atteint notre autonomie, bel et bien notre autonomie. Donc, c'est pour cela que nous avons changé cela. et qu'est-ce que vous, au niveau du scout, euh, vous allez faire comme action euh, pour euh, marquer cette première journée nationale de l'arbre donc, euh, de par le passé, euh, l'Association nigérienne des de l'environnement a toujours fait partie du comité national préparatoire en tant que membre à part entière. Mais maintenant, nous avons été appelés en tant que personnes ressources, d'autant plus qu'il y a plusieurs années, nous donnions souvent euh, l'endroit où on, allait planter, par exemple, euh, au niveau de la faculté des sciences de la santé, en 2015, c'était nous qui avions donné ce site-là. Mais maintenant, nous faisons partie euh, de, la sous-commission mobilisation, sensibilisation, communication. Donc, on va mobiliser, comme d'habitude, les jeunes scouts de l'environnement qui, à travers l'éducation environnementale que nous menons en milieu scolaire, savent déjà comment planter même les pépinières. Ah, vous, menez aussi des actions au niveau scolaire Au niveau scolaire, de euh, l'éducation environnementale à milieu scolaire. Avec ou sans financement, nous le faisons. Donc, du coup, ces jeunes-là savent comment planter. Donc, c'est pour cela qu'on nous appelle et nous, nous amenons les jeunes-là. Malgré que ce soit les vacances, on a l'habitude de mobiliser 300, 400 jeunes que nous amenons euh, sur les lieux pour faire les plantations. Euh, madame Noura Fatimata Jibrilla, depuis quelques dizaines d'années, le Niger est soumis à des fortes variations saisonnières et annuelles des précipitations et des sécheresses récurrentes, ce qui constitue un problème majeur pour euh, toutes les activités. Comment le changement climatique affecte-t-il les communautés ici au Niger Le changement climatique euh, euh, affecte vraiment beaucoup les communautés, surtout les femmes, puisque euh, toutes les corvées y affirment sur les femmes qui font ces corvées-là. La corvée du bois La corvée de bois, la, corvée, d'eau, etc. Et, avec le changement climatique et la sécheresse, là, ça ne leur facilite pas la tâche. Il y a le tarissement des puits, même s'ils ne tarissent pas, ils diminuent ce qui veut dire que les femmes peinent à trouver l'eau. De l'eau potable. de l'eau potable. Souvent, c'est du matin jusqu'au soir. Et ensuite, revenir faire les autres corvées. Tout à l'heure, Thomas vous a dit que euh, sur ce site-là, euh, il y a un château, un château d'eau. Ah, ce, qui est une première. Ce qui est une première, puisque euh, le fait qu'on ne puisse pas souvent entretenir ces arbres-là. Toujours quand on les plante, on attend que ça grandisse avec la saison des pluies, alors que de plus en plus la saison des pluies diminue. Au lieu de 5-4 mois, maintenant souvent c'est 3 mois. Donc du coup, les arbres n'ont pas le temps de grandir et il n'y a pas de suivi. Même si on veut donc une période longue de sécheresse, ce qui fait en sorte que ces plantes-là souvent meurent. Donc, euh, j'en reviens à, au, site choisi. Allez-y. Donc, le site choisi, là, pour nous, vraiment, ça a un intérêt très important. D'autant plus que je me souviens, il y a 4-5 années de cela, on avait amené les jeunes scouts de l'environnement où nous avions planté au niveau de Gesselbodi, dans cette même forêt classée, et que les autres ont planté ici à Niamey, tout au long du boulevard Tanimoun. Et nous, on avait amené les jeunes là-bas. Donc, quand j'étais parti là-bas, on avait vu des, que c'est borné. Donc, euh, ah, oui, le, morcellement et l'occupation de l'espace. Le morcellement. Euh, veut dire que ces, endroits étaient vendus ou sont sur le point d'être vendus. Donc, euh, j'avais dit, bah, est-ce que je peux dire à ces gens-là de lever les bornes Et il y a un responsable du ministère de l'Environnement qui m'a dit non, non, non, non, faut attendre d'abord. Et quand le premier ministre était venu avec le ministre de l'époque, donc, euh, j'avais dit, ah, moi, j'avais dit aux jeunes de lever les bornes. On m'a dit d'attendre. Qui vous a dit d'attendre Il m'a dit, il faut lever. Donc, j'avais dit aux jeunes, c'était 300 jeunes que nous avions amenés, et avec aussi les jeunes du service de participation. Donc, on leur a dit d'enlever ces, ces bornes-là. Ils ont commencé à lever, mais même hier, je disais qu'on allait passer ici. à une dame qui m'a dit Ah, moi j'ai beaucoup de parcelles là-bas hein, que je vais vendre. J'ai dit Tes parcelles là, c'est nul et a venu. » Nous, on veut vraiment préserver cette forêt classée-là. C'est l'une des rares forêts classées que nous avons. Je C'était aussi une réussite. La forêt, classée. oui, c'était une réussite malgré que de par le passé on avait planté euh, euh, de, l'eucalyptus dont les, les, animaux ne, ne veulent même pas de ces feuilles-là. Donc maintenant, là, avec les, arbres qu'on va planter, et j'espère que le gouvernement, nous, nous profitons pour lancer un appel au CNSP. Il faut que tous ceux qui ont des les parcelles là-bas, il faut maintenir donc cet endroit-là. Surtout que euh, quand j'étais conseillère, euh, sous le deuxième mandat de Sous Donc, euh, j'avais fait une note pour dire que euh, cet endroit-là, si on le déclasse, puisqu'il y avait des gens qui avaient demandé le déclassement euh, de cette euh, forêt classée-là, donc que ça allait créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Donc il ne faut pas la déclasser. Et si le gouvernement arrive à maintenir, puisque l'endroit est clôturé, et tout, et tout. Donc vraiment, il faut qu'on puisse maintenir cet espace-là. On n'a même pas de forêt au Niger, c'est juste quelques forêts classées. Oui, oui Madame Noura, aujourd'hui, quel regard peut-on porter sur euh, le poumon vert, la ceinture verte de Niamey aujourd'hui oh, La ceinture verte, c'est dommage, hein, il y avait deux ans de cela, un arrêté était sorti pour préserver le reste de la ceinture verte. Mais malheureusement, chaque jour qu'on passe, on voit de nouvelles constructions. Là aussi, je profite pour lancer un appel aussi au CNSP afin d'empêcher à ceux qu'on vende ces endroits-là. Vraiment, puisque je l'ai toujours dit qu'au Niger, on a besoin d'un régime fort, puisque les Nigérians, considèrent, les Nigériens considèrent la démocratie comme une anarchie. Ils font ce qu'ils veulent. Donc vraiment, nous lançons un appel à ce que cette euh, ceinture verte-là soit préservée. Dans son temps, nous avions demandé euh, au niveau du ministère de l'Environnement que cette ceinture verte-là, ou bien euh, l'endroit-là qui se trouve à côté de la mairie, nous avions dit de faire de cet endroit-là un endroit de récréation. Chaque fois, nous amenons des jeunes là-bas. Heureusement que cet endroit-là, maintenant, a été clôturé par une ONG partenaire avec laquelle nous travaillons. Donc vraiment, la ceinture verte là, il faut la préserver. Vous voyez maintenant, quand il y a avant les pluies, on voit tout le temps des vents forts, alors que cette, ceinture là, elle est faite pour protéger la ville aussi. Mais ce rôle-là n'y est plus, d'autant plus que tout a été détruit. Merci beaucoup, Madame Noura Fatimata Jibrilla. Monsieur Garba Moumouni, dans le contexte actuel de la vulnérabilité climatique croissante, euh, divers secteurs socio-économiques sont fortement impactés, notamment l'agriculture, l'élevage, la foresterie, la santé publique, les transports, les ressources en eau et les zones humides. Que fait votre association, l'initiative pour l'arbre, pour aider le gouvernement nigérien à lutter véritablement contre la coupe abusive du bois et la désertification. Euh, merci beaucoup. Effectivement, l'initiative pour l'arbre, c'est une initiative éco-citoyenne qui est présente dans toutes les régions du Niger. Et on a actuellement 1700, environ 1700 bénévoles et qui travaillent à pied, à rachat, chaque dimanche que Dieu fait. Et d'autres aussi À travers des actions, citoyennes. Citoyennes, effectivement, et du bénévolat. Chaque dimanche, nous, en tout cas, à notre niveau, nous organisons des activités de plantation, d'entretien d'arbres. Et à part ça aussi, nous mettons en place des agents agroécologiques communautaires, donc pour les communautés là. Aussi, nous produisons des pépinières que nous distribuons aux populations donc pour qu'ils puissent planter. Parce qu'aujourd'hui, si eux-mêmes ils sont sensibilisés à planter et que vraiment on leur montre que s'ils font ces plantations-là, c'est pour eux, c'est pas pour le gouvernement, ce n'est ni pour nous et que chaque citoyen doit aujourd'hui comprendre, donc avoir ce langage-là, savoir que ces arbres-là, en tout cas, nous, si on peut nous aurons les nous serons subis euh, aux mêmes effets. Et donc, pour ça, nous, notre association, même cette année, en tout cas, on a décidé d'accompagner le gouvernement. On a décidé actuellement de produire à Niamey 5000 plans, ou disons, on a déjà produit les 5000 plans. C'est disponible. C'est disponible, donc, de Moringa, effectivement, donc, que nous allons distribuer. Et aussi, dans les autres régions, et aussi les départements comme Colo, Douchi, eux aussi ils vont produire à leur niveau environ 2000 comme ça qu'ils vont distribuer donc au gouvernement. Et en même temps, on a un projet biocarbon donc qu'on aimerait lancer où on va cibler un, un site sur lequel vraiment on va amener des arbres qui auront en tout cas, si on peut dire, un fort potentiel de rétention en termes de carbone. Donc, ces sites-là, nous allons faire du reboisement là-bas. On va juste planter des arbres qui seront entretenus. Et à chaque moment, ces arbres-là, donc, donc, seront suivis régulièrement. Et nous estimons que ces actions donc, vont accompagner le gouvernement donc, euh, dans la lutte contre la désertification et aussi donc, la lutte contre... Euh, sur le terrain, est-ce que le message passe au niveau des communautés En tout cas, à notre niveau, pour nous, on constate le résultat. Et ça passe bien parce que même le site euh, des sinistrés de Seno, le projet qu'on avait mis en place, où à ce moment, lorsqu'ils étaient, ils étaient victimes donc, euh, de l'inondation de 2020 là, lorsqu'ils étaient partis à ce moment, en tout cas, il n'y avait aucun arbre là où on les a amenés. Sur le site. Sur le site. C'est du plateau qu'on voit. Et là, nous, en tout cas, lorsqu'on était partis, ils nous ont demandé vraiment, il fait très chaud. C'était sous des tentes, il fait très chaud et il n'y a aucun arbre. Donc la solution maintenant, c'est de voir dans quelle mesure on peut planter des arbres. Et on sait très bien que l'endroit, s'il n'y a pas de suivi, ça sera difficile parce que l'accès à l'eau, les forages sont limités. Et c'est là on a eu l'idée de les initier. Si déjà ils sont au nombre de 962 ménages, donc ils sont transférés là-bas. En ce temps, en ce temps. et même actuellement, ils sont là-bas. Même actuellement, ils sont sous des hangars, des bâches et autres. Donc, c'est là on a planté environ 1300 arbres. Et dans chaque ménage, on a fait un sinistre, un arbre. Et en même temps, on a pris un site où on a planté quelques-uns. Maintenant, on leur a initié, s'ils font leur abolition, donc de le faire autour de ces arbres-là, parce que déjà l'eau c'est limitée. donc ils ne peut pas se permettre donc de partir chercher, venir verser. Donc le, ça, en tout cas, ça peut les encourager. S'il y a par exemple 10 personnes ah, pour, pour, les entretenir. pour les entretenir, et aussi ils sont initiés à comment prendre soin de ces arbres-là. Et actuellement, récemment, en tout cas, lorsqu'on était répartis, il y a d'autres qui sont à 4 mètres. En tout cas, pour nous, c'est déjà satisfaisant. Les nîmes euh, fréquents, en tout cas, en quelque sorte, on a planté les nîmes parce que c'est l'espèce qui résiste, en tout cas, sur ces zones-là. Garba Moumouni, les arbres sont source de vie avec leur fonction de photosynthèse. Ils sont qualifiés de producteurs d'oxygène. Quels sont les autres avantages des arbres pour l'humanité Effectivement, aujourd'hui, l'arbre, il faut le voir comme l'humanité. Parce que si, si l'homme oublie, dit seulement l'arbre, c'est juste pour de l'ombrage, en tout cas en quelque sorte. On s'est dit, voilà, la personne ne connaît pas la vérité. Parce qu'autour d'un arbre, Dieu seul sait combien de milliers d'espèces vivent ou bien combien d'individus vivent. Et c'est là il faut comprendre que cet arbre, c'est un nid, c'est un habitat d'autres espèces. Et à part ça, à partir de cet arbre, en dehors de ce que vous avez dit, ça permet la stabilisation des sols contre l'érosion, les inondations. Aujourd'hui, il y a des espèces, quand elles sont plantées, comme l'eucalyptus, en tout cas, elles ont une forte rétention en eau. Et en tout cas, ça permettra de lutter contre l'érosion et l'ensablement également. Hormis ça, aujourd'hui, la photosynthèse dont vous parlez, on sait très bien que le changement climatique consciente les seuls à nous faire sortir de ces changements climatiques, ce sont les arbres, parce que ce sont les végétaux en général seulement qui ont la capacité, donc si on peut dire, d'aspirer ces ces carbone-là et de nous donner l'oxygène, parce que eux aussi, c'est ça leur nourriture. Aussi les vertus pharmacopées qu'on constate autour, parce qu'aujourd'hui, tous les médicaments qui sont produits, que ce soit les médicaments donc, euh, modernes et aussi traditionnels, sur leur source autour des végétaux. Donc c'est important de le savoir. Et en quelque sorte, même la, pluie aujourd'hui, pour quand même constater, si on peut dire, une euh, stabilisation, une répartition régulière, si vraiment euh, le Niger devient un pays très réverdi, on constatera une différence au niveau euh, de la pluviométrie et, même de la température en général, des conditions climatiques. Garba Moumouni, comment amener les décideurs à inscrire les actions pour le reboisement euh, d'adaptation et d'atténuation au cœur des priorités Effectivement, aujourd'hui, c'est d'associer, si je peux dire. Aujourd'hui, il y a le ministère de l'Environnement, on les remercie donc à travers tout ce qu'ils font. Mais moi, je pense que pour les amener, en tout cas, à prendre, si on peut dire, à considérer, c'est d'impliquer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la grande muraille verte dont on parle, ce n'est pas uniquement le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, toute la société civile, tous, en tout cas tout individu doit savoir que c'est un combat de tous. Et que cette muraille verte, si on le fait, c'est pour le pays, c'est pas pour un ministère. Donc tout le monde, si on arrive à avoir en tout cas cette éducation, je pense que ça sera important. Maintenant, ce ministère, il faut en tout cas qu'on parte dans le langue de l'éducation. De changement de mentalité. Parce que c'est ça qui manque au fait au Niger. Aujourd'hui, on peut constater, nous, nous le constatons souvent, on a l'habitude en tout cas de prendre soin d'un arbre environ un an. Maintenant, on constate, en passant, on voit quelqu'un en même temps prendre ça juste pour se brosser. Lui ne sait pas l'effort qu'on a fait. Maintenant, si tout le monde arrive à prendre conscience comme ça, je pense que c'est un pari gagné. Merci beaucoup à tous. On observe une courte pause. Garba Moumouni, euh, les changements climatiques euh, préoccupent aujourd'hui la communauté scientifique internationale et même le monde entier en raison de leur impact négatif euh, sur les hommes et sur les écosystèmes. Au niveau de votre association, l'initiative pour l'arbre, quelles solutions préconisez-vous dans le court, moyen et long terme En tout cas, le changement climatique comme vous venez de le dire, c'est un contexte, c'est à l'échelle mondiale, c'est constaté. Maintenant, nous, nous sommes vulnérables à ces changements-là. Parce que déjà, de un, nous ne sommes pas préparés, si on peut dire mentalement, au changement climatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on part au village, les gens n'arrivent pas à comprendre. Déjà, on met tout vraiment, c'est à cause de nos péchés et autres, tout ça. Maintenant, en quelque sorte. De par les actions que vous menez sur le terrain euh, en faveur des communautés, est-ce que les euh, Nigériens ont commencé à comprendre comment ça marche Effectivement, donc nous, nous constatons ces résultats-là, qu'ils ont commencé à comprendre. Parce que le simple fait qu'on les initie à utiliser, à faire les foyers améliorés là et à, laisser donc l'utilisation abusive et qu'ils adoptent ça et qu'ils comprennent que vraiment c'est pour eux-mêmes. Déjà, ce qu'on fait, c'est de leur faire une éducation environnementale. Ça, en tout cas, c'est ça. Pour nous, dès qu'on le fait, quand ils comprennent, ça va les préparer donc à cette résilience-là. Maintenant, on les initie à comment faire pour lutter contre ces changements-là. Parce qu'aujourd'hui, on fait la promotion de l'agroécologie. Nous, nous n'utilisons pas donc, les produits chimiques là, et on leur montre que ça a un effet, ça contribue donc à ces changements climatiques-là parce que l'agriculture traditionnelle, conventionnelle qui est aujourd'hui vulgarisé. En tout cas, ça contribue, c'est un des moteurs donc, euh, de ces changements climatiques. Garba Moumouni, c'est indéniable. Les impacts euh, des changements climatiques sont observés au niveau mondial, régional, national et même euh, local et appellent à une action collective. Au niveau de votre association, l'initiative pour l'arbre, avez-vous pensé à cette préoccupation Quelle solution préconisez-vous Effectivement, nous, nous sommes déjà préparés à ça. Parce que ce qu'on fait déjà, on se base sur des résultats scientifiques. Et ces résultats, ce sont des résultats déjà qui ont été expérimentés. Maintenant, nous, ce qu'on préconise, c'est surtout de privilégier l'éducation environnementale et de, continuer donc à planter parce que c'est la seule solution. Il y a pas à planter et à entretenir. À, planter, à entretenir et aussi à, à revoir nos manières de, vivre parce que c'est ça, en tout cas, le, comble. Aujourd'hui, il faudrait que tout le monde arrive à faire la promotion de des énergies renouvelables au lieu juste donc, comme euh, vient de le dire le commandant, de continuer à utiliser le bois. Si on fait la promotion du charbon minéral, donc ça permettra aujourd'hui de ne pas dépendre des bois. Le Niger, le Effectivement, tout le monde, en tout cas, tous les ménages peuvent euh, utiliser ce charbon parce que le Niger en a suffisamment. Donc ça va quand même nous permettre de s'en passer et de laisser les arbres là prospérer. Et si les arbres là prospèrent, eux aussi vont continuer à nous procurer les services écosystémiques donc dont nous avons besoin. Et effectivement, ce changement climatique n'aura pas beaucoup d'impact, surtout sur l'agriculture qu'on constate aujourd'hui. L'impact le plus senti au niveau du changement climatique, c'est sur l'agriculture. Et, même sur l'élevage. Effectivement. Avec la rarité du, pâturage. Effectivement, on sait déjà, le pastoralisme aujourd'hui, ça devient un truc compliqué. Jusqu'à maintenant, les gens ne s'intéressent plus. Merci beaucoup, au euh, Garba Moumouni. Euh, nous allons à présent donner la parole à commandant Antoumana Kaka euh, de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au ministère de l'Environnement. Commandant Antomana Kaka, quelles sont les espèces d'arbres qui sont privilégiées pour véritablement lutter contre la désertification et eh, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, permettez-moi eh, de revenir quand même sur euh, la préparation euh, de la journée nationale, de, l'affaire de l'arbre pour euh, souligner des aspects quand même très, très importants. Oui, le premier aspect, c'est eh, l'implication, n'est-ce pas, euh, de la jeunesse dans la préparation, mais également dans toutes les activités qu'on va faire pendant cette journée. Et au-delà de la journée, c'est pratiquement une semaine qui est consacrée, n'est-ce pas Ah, ce n'est plus, une journée. La journée, c'est pour les lancements, n'est-ce pas ah. Mais les activités continuent. Avant le 3 août, il y aura des activités et au-delà du 3 août aussi, les activités continuent sur le terrain. Parce que je disais tantôt qu'on a impliqué les jeunes. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a installé un camp des jeunes. Les huit régions vont amener des jeunes pour euh, d'abord qu'ils se communient entre eux, qu'ils se sympathisent, qu'ils, euh, n'est-ce pas, mais également pour qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, d'autres notions. Par exemple, sur l'éco-citoyenneté, sur l'éducation environnementale et sur beaucoup d'autres thèmes qui seront débattus par des éminents et personnalités qui seront présents sur place. Autre aspect, c'est qu'on est en train de parler dans un nouveau contexte géopolitique. L'édition, la première édition de la journée de l'arbre sera marquée, n'est-ce pas, par la présence de tous les ministres en charge de l'environnement ah, pays de l'AES. C'est un signal fort. Tous les directeurs généraux de l'environnement de ces trois pays, je vais parler du Burkina, du, Mali, seront, ils sont déjà invités et je crois qu'ils ont tous répondu favorablement tous les directeurs, n'est-ce pas, généraux des agences nationales de la Grande Miraille Verte de ces trois pays vont venir. C'est véritablement une fête là, dans la capitale du fleuve. On a invité aussi dans chaque pays de l'AES, dans les deux pays, de nous envoyer cinq de leurs jeunes pour qu'ils viennent voir euh, nos réalités, pour qu'ils viennent apprendre de leurs camarades qui sont là, qui vont faire une semaine en train de travailler. Et pour dire, hein, c'est cette genèse que nous allons utiliser pour les plantations. Un autre aspect, c'est que tous les corps habillés du Niger auront un bloc qui leur est dédié dans les sites qu'ils vont planter, ils vont entretenir et ils vont suivre. Pour dire que, par exemple, si on prend la gendarmerie, voilà le bloc de la gendarmerie, c'est un hectare. On va vous évaluer par rapport à ce qu'est devenu, n'est-ce pas, votre hectare. Pour euh, revenir maintenant à votre question. Les espèces qui résistent à la lutte contre la désertification. Qui, résistent, n'est-ce pas, à la lutte contre la désertification. Vous savez, en réalité, la désertification, elle suit, n'est-ce pas, une logique. C'est la pression qui est exercée sur les ressources qui amène cette raréfaction qui est combinée, n'est-ce pas, maintenant à d'autres aléas climatiques comme la raréfaction de l'eau. Maintenant, les espèces qu'on pense qui peuvent résister, c'est surtout les espèces qui demandent, n'est-ce pas, très peu en termes d'eau. Et pour ça, il faut nécessairement privilégier eh, les espèces euh, locales parce que c'est les espèces qui s'adaptent. Le gao, les acacias les, acacias surtout, euh, vous avez parlé du gao aussi, en termes, n'est-ce pas, des services écosystémiques que cette espèce de fédarbia rend, n'est-ce pas, dans les parcs agroforestiers, ça constitue vraiment une espèce à privilégier, n'est-ce pas Au-delà du gao, vraiment, il y a beaucoup d'autres espèces qu'on peut citer qui ont une valeur pour euh, la lite ou bien pour la régénération, n'est-ce pas, de notre écosystème. Donc, euh, c'est par exemple la cassia sénégal qu'on a connu beaucoup et c'est ça, il dit, on utilise souvent, fréquemment, pour faire euh, euh, les activités de récupération des terres. C'est des espèces qui ne, qui ne sont pas trop exigeantes en termes euh, en d'eau. Voilà, donc ces espèces-là, normalement, c'est ça qu'on doit utiliser pour lutter contre l'avancée du désert. Commandant comment mieux utiliser les arbres sans les détruire C'est ce qu'on appelle l'utilisation utilisation rationnelle. On n'a pas cessé de les dire l'arbre, c'est une ressource. Et en tant que tel, on doit l'exploiter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on fait un site de récupération des terres, après euh, un certain nombre d'années, deux ou trois ans, on fait ce qu'on appelle les plans de gestion. Et c'est dans ces plans de gestion-là qui est défini tous les modes d'exploitation qu'on doit faire pour, n'est-ce pas, être rationnel. C'est-à-dire juste prendre les nécessaires sans pour autant entamer n'est-ce pas, la capacité de l'arbre ou bien de la ressource à se régénérer d'elle-même. Et pour ça, il y a beaucoup de techniques. Par exemple, dans le domaine de la RNA, on montre comment, n'est-ce pas, on peut bel et bien exploiter sa ressource dans son champ sans que cette ressource n'ait pas amenée à disparaître. Merci beaucoup au commandant Antomo Nakaka de l'Agence nationale de la Grande Miraille Verte. On va revenir vers vous. Madame Noura Fatimata Gibrila, selon toujours les experts, l'agriculture, la biodiversité, la santé, les infrastructures, l'eau sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Selon vous, quelle est la meilleure recette en termes de communication pour amener le pouvoir public à faire les actions de reboisement une priorité donc, euh, merci Mokhtar. Le changement climatique, hein, en fait, il a toujours existé. Depuis des temps immémoriaux, il y avait le changement climatique. Tout à l'heure. Euh, euh, mon fils, oui, mon fils parlait de, de, sensibiliser les gens. Je pense que les anciens, ils ont le savoir-faire traditionnel. On n'a pas besoin de les sensibiliser là-dessus. C'est plutôt les jeunes qu'on devrait sensibiliser. Donc, euh, contre ces changements climatiques-là, je te disais tout à l'heure que nous faisons l'éducation environnementale. Les plus jeunes, là, s'ils sont conscientisés, c'est eux qui vont à leur tour conscientiser leurs parents. Et au lieu aussi de, se consacrer à utiliser euh, le charbon minéral qui lui aussi est polluant, ça pollue, oui, oui. Au niveau de la sourase, souvent on fait des lâchures dans l'atmosphère parce qu'il y a tellement de gaz. Donc, je préfère qu'on sensibilise. Qu'on fasse la promotion du gaz. de euh, notre gaz. Le gaz butane. oui, le gaz butane. Et puis de sensibiliser les femmes afin d'utiliser le gaz. D'autant plus que, par exemple, dans les villages, les gens vont refuser. Certains ont peur de ce gaz-là, mais si on les sensibilise, on leur montre. Madame Noura, est-ce que les communautés euh, ont les moyens nécessaires pour s'octroyer les kits Non, le gaz, il n'est même pas cher. Parce que la bouteille de, de, de 12 kg, là, et ne coûte que 4 000. Même si au village, au niveau village, on ne l'utilise pas, euh, de sensibiliser les gens au niveau des grandes villes, d'utiliser, de promouvoir ce gaz-là. Parce c'est, on en a à gogo le gaz là, donc il faut qu'on l'utilise. Par exemple, tout à l'heure aussi. Rapidement. vous avez parlé de, euh, des espèces. Moi, je pense que jusqu'à preuve de contraire, l'acacia sénégal là, il ne faut pas qu'on le laisse tomber. Parce que l'acacia sénégal, et les, les feuilles amendent le sol. Et eh, si le sol, ça veut dire euh, qu'on aura de bonnes récoltes. Et puis, à moyen terme, ça lutte aussi contre la pauvreté avec euh, euh, la production de la gomme arabique. Donc, par exemple, en 1999, nous, nous avions eu à planter, de l'environnement, 1,5 million de plants d'acacia Sénégal et des isifus mauriciana au niveau de la région de Tilabiri. Et quelques années plus tard, et on nous avait dit qu'après que le, ministère ait pu faire des évaluations, ça a réussi à 80%. À 80%. Donc, vous voyez, dans l'échelle là où il y a cet acacia-là, les sols seront amendés et, amendés stabilisés et on aura euh, de bonnes récoltes. Et aussi, donc, euh, comme je le disais, ça, euh, ça lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup, euh, madame. J'allais ajouter quelque euh, chose. Rapidement, rapidement. dans un poème, là, quand j'étais au primaire, on disait que tout celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, car l'arbre donnera de l'ombre à ceux qui ne naîtront demain. Et ce n'est pas de l'ombre seulement que ça va donner, ça va aider beaucoup à travers la photosynthèse, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Noura, pour euh, cet éclairage en particulier. Allez-y, euh, commandant Tomonakaka pour votre message. Nous sommes au terme de, ce euh, forum. D'accord, merci beaucoup pour cette opportunité que j'avais soulignée tout à l'heure. Mon message en réalité, c'est pour dire qu'aujourd'hui, que aujourd'hui, les communautés au niveau national doivent avoir, n'est-ce pas, assez se mobiliser pour soutenir nos autorités qui sont en train de faire des choses merveilleuses pour toute la communauté. Voilà un peu mon mot de fin par rapport. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir euh, Tomo Nakaka, directeur des opérations à l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au ministère en charge de l'environnement, Garba Moumouni de l'association Initiative pour l'arbre et Madame Noura Fatimata Jibrila, membre de l'association nigérienne des scouts de l'environnement. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Al-Mustafa Ayouba. C'était Mokhtar Hamadou pour la modération du forum. Merci, au revoir.